Aujourd'hui la fada s'est installée au sein même du studio Kalangu dans notre mini restaurant que nous aimons tant pour parler du changement climatique. Bref, nous allons parler environnement. Selon les Nations Unies, le terme changement climatique désigne les variations de température et des conditions Météorologique sur le long terme. En effet, depuis quelques années, nombreux sont les jeunes réunis en association ou individuels dans les différentes régions du Niger, notamment à Niamey, pour mener des actions en vue de lutter contre le changement climatique grandissant. Le mois dernier, les jeunes de la structure 227 Environnement ont réuni plusieurs acteurs dans ce domaine pour élever le challenge de plantation de 10 millions d'arbres au Niger. En juillet prochain, l'association des scouts du Niger envisage à son tour de planter 10 000 arbres dans le village de Bossa commune urbaine de Birningaure, pour stopper non seulement l'avancée du désert, mais aussi de créer des pépinières grâce à cette action qu'il compte mener dans d'autres régions du Niger. Tout ceci montre l'engagement des jeunes dans cette lutte contre le dérèglement climatique qui met aussi en péril la sécurité alimentaire. D'où le choix du thème de ce soir, l'apport des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. Pour en parler ce soir, nous recevons Monsieur Tari Daouda Zakari, ancien responsable de la communication du ministère de l'Environnement et acteur euh, du changement changement climatique ici à Niamey et partout au Niger. Bonsoir, tu vas bien Oui, je vais bien, Samira. Et toi Juste à côté de lui, nous avons Dadi Jibrilla. Il est de Udej. Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien. barka da shigowa fada. Barka ka kusa da shi muna tare da Makonita Samira Moussa du réseau des jeunesses nigériennes sur le changement climatique. Enchanté Samira. Merci. Barka fada. Barka Je suis Samira Wafi pour la présentation à la technique, c'est Abdelkader Chambiano. La Fada, comme vous le savez, c'est accompagné d'une rubrique rose de la musique, une chronique, tout ceci en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. To abokai matasa masu sauraron yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan cikin studio Kalangu za tattauna ne akan gudunmuwar da matasa ke bayarwa a cikin yaƙi da sauyin yanayi. Da la première partie de notre fada, nous voulons connaître leurs différentes contributions, surtout euh, euh, aujourd'hui euh, ces jeunes viennent de différentes structures environnementales. Je commence avec toi Tare Zakari. Et kai wani abubuwa kake quelles sont les actions que vous menez dans la lutte contre le changement climatique a nan cikin garin Niger? Alors Eh, merci samira uh, eh, waga tambaya ta tana da mahimmanci sosai don saboda ya kamata a ce matasa sun tashi sun sa hannu a bisa kan wannan sauyin yanayi wanda yake nan a yanzu haka yana na ba mu wahala jiya an yi zahi ya kai 45 degree yau mu da kura net da sahi an rasa ma menene ke faruwa don wannan duka yana cikin sauyin yanayin wannan mu ni dai a wuri na uh, eh, abin da nake yi Eh, jan kunne abinda ake cema jan kunne eh, eh, wayowa da kai ga matasa da mutane su san da cewa wannan sauyin yanayin ba sai gwamnati ba ko wa'ansu masu hannu da shuni wanda za su zo da waje su zo su mana maganin shi muna iya akwai abubuwa da da muke iya yi wanda ba su tambayar wannan da yawa kwa kokari da yawa shifka itace Eh, ko kuma itacen da adda kwai a yi tattalin su da kwai kungiya wadda nike cikin wadda ake cema e-report wanda tana da wani project kinta da ake cema green school eh, a hausance kaman lakwal tsanwa wanda a shafka itace a kogwa ma da eh, 'yan makaranta kai su kowa ya shifka ice kuma ya kula da icen wannan har girma mhm, mhm. kenan aka samu irin wannan kamar proje da yawa mhm. an samu itace da dama kuma in an samu itace da dama sosai yana iya kawo eh, yana iya kawo taimako bisa kan wannan sauyin yanayi bisa kan wannan sauyin yanayi to madalla malam tare dauda zan dawo ta bangaren ka dadi jibrilla ina so in sani ku can a bangaren ku ta udej wane ga action ne kuke mene don ganin cewa kun dakatar da wannan sauyin yanayin da muke fuskanta to mu kungiyar ga tamu da ake ce ma udej a yaren turanci shine ake cewa union pour la défense la protection et la promotion des droits des enfants et des jeunes mu kungiyar mu ta sha gwarmaya ta sha eh, ba da nata taimako zuwa wajen eh, a gani an ciwo wannan eh, matsaloli da ke addaba al'umma tunda mu Eh, muna tahiya muna hulɗa da ƙungiyoyi da dama waɗanda ke aiki bisa kan wannan canjin yanayi muka ɗauka gve jean volontaire pour l'environnement tare da waga rccm suma duka mu ma ƙungiyarmu tana kawo nata gudunmuwa wajen eh, duk wani aiki da ake yi wani da yaren turanci ake ce ma activity da yanzu ma suna da wani program nasu da suka tsara bisa kan yadda su yara da matasa wace gudunmuwa ya kamata a ce su ma sun kawo da a samu a ciyo eh, wangaci eh, me ake cewa a samu eh, bayan wannan abin vala a samu me ake cewa da yaren turanci ake cewa solution mafita kenan mahuta yauwa mahuta ga wanga abubuwan to madalla zan dawo ta bangaren ki malama samira ina so in sani can a bangaren naku na rezo de la jeunesse et nigérienne sur le changement climatique qui est à Ganinki. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour avoir un impact positif sur la lutte contre le changement climatique Merci beaucoup Samira pour cette question, qui est une question assez colossale et pertinente en même temps. Le réseau de la jeunesse nigérienne est vraiment une, euh, comme l'indique, c'est une structure de jeunesse donc qui œuvre pour la justice climatique. La justice climatique à l'interne du pays et également au-delà des frontières de notre pays. Chez nous, RGNCC, nous avons cette conviction que la jeunesse peut faire la différence parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est eux le présent et encore le futur de, de ce monde, donc de cette planète. Donc, si les jeunes se réveillent, les jeunes comprennent d'abord le phénomène qui arrive, ils pourront mener des actions qui auront des impacts et qui pourront changer les choses de manière drastique. Deux exemples, Samira. Donc, deux exemples. la jeunesse a cette capacité de faire changer les politiques pour que nous puissions avoir des, des, des économies plus sobres en carbone. Un. Deux, la jeunesse a cette capacité aujourd'hui de faire différemment que ce qu'ont fait les gens d'avant. Mhm. Donc, on peut baser notre développement de manière différente que sur des, énergies fossiles qui nous ont amenés à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Comme l'a dit euh, euh, notre collègue, aujourd'hui, hier, on était dans une canicule qui disait pas son nom, et aujourd'hui, nous voilà avec euh, de la poussière on n'explique même pas parce que c'est pas sa période. Donc voilà. Merci Samira Daoud Bangaranka euh, Tari. Selon toi, quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la sensibilisation euh, des décideurs politiques et dans la promotion de la politique climatique plus durable Alors ici, euh, quand nous prenons la situation du Niger, nous ne sommes pas des pollueurs. Euh, quand on prend euh, ce qui peut polluer, c'est juste notre raffinerie, hein, c'est la seule que nous avons. Bon, il y a aussi l'utilisation des, des, des, automobiles qui euh, euh, dégagent des gaz à effet de serre. Bien sûr, mais ce n'est pas conséquent par quand tu prends euh, aux autres pays comme les États-Unis, la France, la Chine, voilà, les grands pollueurs. Nous nous, nous nous, nous subissons, en fait. Nous nous subissons. Donc, ce que nos dirigeants peuvent faire, c'est de euh, formuler des plaidoyers, n'est-ce pas, auprès de ces grandes puissances qui polluent et qui, euh, qui nous amènent. Parce que la planète, on ne peut il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières quand euh, quelqu'un commet ses bavures de l'autre côté. toute la planète a subi. Donc, pour se comprendre, je pense que nos, nos, nos dirigeants il y a, il y, a, il y a des institutions de réglementation, n'est-ce pas, euh, de tout ce qui concerne le changement climatique. Alors, c'est de demander, c'est-à-dire euh, des, des, des, des, des, outils financiers, n'est-ce pas, plus équitables pour nous permettre ici de lutter contre ce phénomène en mettant de, des sommes conséquentes qui vont nous permettre de créer des conditions pour lutter euh, contre ce changement climatique. Nous pouvons contribuer de façon conséquente, c'est-à-dire à atténuer. À atténuer. Merci. je vais revenir vers toi, et Dadi. Euh, selon toi, est-ce que ce qu'il dit, les jeunes peuvent jouer les intermédiaires Oui, effectivement parce qu'aujourd'hui, eh, si nous constatons, eh, les jeunes peuvent. Pourquoi Parce que eh, au Niger, on dit que la majorité de la population sont des jeunes. Donc aujourd'hui, s'il y a une catégorie, c'est-à-dire de personnes qui, qui devraient réagir à apporter leur part de contribution, c'est la jeunesse. Parce que rien que, par exemple, si eh, aujourd'hui nous, en tant que jeunes, nous décidons ou nous lançons eh, des activités dans nos différentes structures pour dire que chaque jeune plante un arbre à la devanture de sa porte, ça peut euh, apporter vraiment un bon changement. On peut euh, estimer d'ici 10 ans avoir une réduction dans notre euh, pays parce que comme il l'avait dit, il disait que notre pays ne pollue pas, c'est les grandes... Euh, comme on appelle ça là, les grands pays comme les États-Unis, la Chine et autres là qui polluent. Et ils n'investissent pas dans les autres pays aussi qui subissent les conséquences. Donc vous voyez, nous, euh, on peut apporter un changement surtout au niveau des politiques, euh, d'où il y a plusieurs. Euh, on peut faire des plaidoyers, comme il l'avait dit, des lois où euh, on peut apporter des solutions euh, à ce, à ce fléau. Merci bien. Amina Munafada, lokaci yayi da za mu je mu saurari abin da 'yan matan studio Kalangu suka zo mana da shi a cikin rubric Rose in tasu ta yau. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou chers amis de la FADA et de la rubrique rose, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de rubrique rose jusqu'au bout des ongles comme on a l'habitude de le dire. Moi c'est Samira Wafi et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment moi je fais euh, ma confiture de mangue. Ça peut différer de celle qui est industrialisée et tout mais moi je le fais à la maison. Donc euh, pour le faire on a besoin de mangue pas mûre du tout genre ceux qui sont un peu aigres, surtout très aigres. Pour ceux qui sont amateurs de casser un peu euh, avec un petit goût citronné. Et pour ceux qui veulent aussi, vous pouvez ajouter du citron. Voilà, donc on a besoin de citron pour ceux qui le veulent, de la mangue pas mûre, du sucre, du sucre vanillé et pourquoi pas une gousse euh, de vanille pour ceux qui en ont à leur disposition et euh, pourquoi pas d'arômes de tout genre que vous voulez. Il y a aussi des arômes ont le goût mangue, vous pouvez aussi les utiliser. Pour la préparer, on a besoin d'éplucher nos mangues euh, pas mûres. On enlève la peau verte, puis euh, on, sépare euh, la chair du noyau et on prend cette chair qu'on va mettre dans une marmite déjà bien préparée au feu on ajoute un tout petit peu d'eau. Après avoir ajouté de l'eau, on met un peu de sucre et là on laisse euh, jusqu'à ce que ça soit bouilli, genre 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que la mangue soit vraiment cuite. Et quand vous saurez que vraiment la mangue elle est cuite, vous éteignez le feu et vous la prenez pour venir faire votre petite préparation. Il y a ceux qui aiment quand c'est vraiment euh, mixé, ou ça devient comme une, euh, une sorte de pâte, euh, comme ce une purée qu'on donne au bébé. Mais certains ont besoin de voir quelques morceaux de, de la chair de mangue dedans, comme moi je les aime comme ça. Du coup, vous allez venir ajouter un peu de sucre parce que on met le sucre dans la préparation pour que ça ait un petit goût caramélisé souvent quand l'eau finit dans la mangue sur, la, sur le feu. Là, on ajoute un peu de sucre, on met la vanille et tout ce qu'il faut comme arôme, on mijote bien et on peut déguster ça comme ça, un dessert, ou bien on peut euh, l'accompagner avec euh, des pâtisseries, du pain, des croissants ou des trucs de ce genre. Et la deuxième recette qu'on peut faire avec les mangues pas mûres, ça c'est typiquement enfantin. Quand on était enfant, on prenait ces mangues pas mûres du tout, on séparait déjà la peau verte de la chair. On prend cette chair là qu'on a déjà séparée du noyau qu'on met dans un mortier pour bien piler. On pile ça bien. Après, on enlève du mortier. On, prépare euh, quelques trois piments verts, un peu de, un peu d'ail, de l'arôme et de la pâte d'arachide. On mixe tout ça très bien, puis on vient incorporer dans notre mangue déjà écrasée dans le mortier. Et là, vous pouvez euh, le déguster. Déjà, ça fait euh, un goût un peu aigre, un peu amer pour certains, mais c'est très doux. C'est une recette que tout le monde peut faire. Surtout maintenant, c'est la saison des mangues vertes avant que ça ne soit mûr. Donc, euh, je vous propose d'essayer ces deux recettes chez vous. On se dit à très bientôt dans la rubrique rose. studio nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui s'est installée aujourd'hui dans notre mini-restaurant au sein même du studio Kalango. Et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, dans cette émission, nous parlons de l'apport des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des défis auxquels les jeunes font face dans leur lutte contre ce changement climatique. Et je continue avec toi, Samira. Selon toi, quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils essayent de s'engager dans des initiatives environnementales ici au Niger hum, Les défis sont énormes. Donc, euh, pour commencer, par exemple, nous, euh, au RGNCC, actuellement, à travers quatre régions du Niger, notamment Maradi, Tawa, Tilaberi et Dosso, on a plus de 400 activistes climatiques qui sont là au niveau de leurs communes commune respectives essayent de mener certaines actions pour euh, protéger leur environnement et notamment lutter contre ces changements climatiques. Avec des plantations, des salubrités, ils euh, euh, font certains emplois verts, donc en lien avec et certains emplois en lien avec et comment on appelle ça, la réverdure du de l'environnement et tout. Maintenant, ces jeunes en même temps font des plaidoyers au niveau local parce que si nous voulons que les choses changent, il faut que ça change dès à la base pour que ça puisse arriver au, au sommet. Donc, ils essayent de faire des plaidoyers auprès de leur communauté, donc auprès des autorités communales pour qu'ils puissent prendre les aspects climatiques dans les PDC pour commencer. Parce que depuis, ça doit faire à peu près, euh, je pense, depuis 2015 ou 2016, comme ça. Normalement, tous les PDC du Niger devraient être acclimatés. Ils disent c'est acclimaté, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que quand on regarde, c'est juste, il y a le désert qui avance. Donc, il n'y a aucun, aucun, aucune consistance, au fait. Parce qu'il n'y a pas d'études menées. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de budgétisation au niveau des pays. Tant qu'il n'y a pas de budgétisation dans le plan d'investissement annuel, ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir sur le plan communal des actions concrètes qui relèvent du climat. Donc ces jeunes essayent tant bien que mal de faire des plaidoyers, mais nous savons aujourd'hui euh, l'image que la jeunesse a. Mhm. Donc euh, voilà, dès que les jeunes commencent à dire, vous avez commencé avec vos nouveaux trucs, vous voulez nous embrouiller la tête, allez faire vos trucs de jeunes on ne prend pas les jeunes au sérieux. Alors que cette affaire est une affaire de tous. Donc, un. Et deux, ces activistes climatiques souvent sont même agressés parce qu'ils sont mal compris. Donc, il n'y a vraiment pas de cadre qui les protège. Donc, euh, nous, au niveau, au niveau de la coordination, on essaie, mais ce n'est pas évident. Donc vraiment, il n'y a pas de, cadre euh, ou bien de, loi comme ça qui puisse euh, les, protéger. Et il n'y a pas également des actions qui puissent les encourager à faire, par exemple, des bourses d'études pour qu'ils puissent aller comprendre eux-mêmes encore plus que ce qu'ils ont compris et amener, améliorer ce qu'ils ont ici. Donc euh, voilà, C'est vrai qu'au niveau national, on voit des changements, mais vraiment, il reste énormément à faire. to madalla kamar yadda samira ta faɗa kun dai ji suna fuskantar kalubale wato matsaloli da dama musamman waɗanda ke ƙoƙarin kawo canji a cikin wannan harkar ta yaƙi kan sauyin yanayi suna fuskantar kalubale haka nan ne kuma a cikin tsarin da ake gudanarwa haka na gwamnati akwai abubuwan da har yanzu suna son eh, sauyi zan dawo ta bangaren ka tare dauda ina so in sani yanzu kai a ganin ka eh, comment se fait a report ka ce kuna da wani tsari da aka girka wato school green in nan na a gani ko ina ya zama tsanwa a cikin makarantu ya ne kuke yin suivi din tunda yanzu aka ta aka shibka yana son kula yana son a bashi ruwa da ya samu ya girma ya kuke yin suivi yanzu kama an ce bana kun je kun shibka baɗi ko ma kuke ku duba ko kun bar su nan haka nan dai eh, samira kin san duk abin da aka ce miki kaman ce n'est pas fait de façon désintéressée c'est un projet qui est là donc qui dit projet qui dit financement euh, voilà si ça commence déjà sur la base d'un financement si le financement est fini c'est que le projet prend fin. C'est pour cela que j'ai toujours dit, c'est-à-dire euh, à mes pères jeunes, s'il faut euh, mener des actions pareilles, il faut les faire de façon désintéressée. Parce que si tu commences avec de l'argent, le jour où il n'y aura pas de l'argent, Baka euh, Bon, nous on en fait, mais on responsabilise les écoles. Au on amène les enfants, on fait les plantations, on responsabilise les enfants à faire le suivi et les responsables de l'école. C'est comme ça, on fait, mais euh, de temps en temps, on fait le tour pour voir l'état, n'est-ce pas, des arbres qu'on a plantés. C'est comme ça qu'on essaye de voir si nous pouvons <laughs> vraiment apporter euh, notre contribution au, changement climatique parce que il ça ne sert à rien de planter si on ne suit pas. Si quand tu plantes, si ça ne grandit pas, c'est que tu n'as rien fait. Tu as juste fait une action folklorique tu plantes, ça meurt, ça ne grandit pas, tu n'as rien fait, il y a pas voilà. Il y a une action, mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact. Donc la plupart de ce que nous faisons, la plupart, mais je te parle hors du cadre même de e-report, dans le cadre du changement climatique, c'est dans ce sens. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris, que les jeunes n'ont pas compris. Le changement climatique crée aussi des opportunités, beaucoup d'opportunités, opportunités moi, j'étais au Sénégal l'année passée euh, dans le cadre d'un atelier sur euh, l'équité du marché du crédit carbone. Donc, je participais à beaucoup de, deux ateliers, entre autres l'atelier, n'est-ce pas, de présentation de résultats euh, par rapport au projet de mise en œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Ils ont recruté plus de 3000 jeunes. Ils ont recruté plus de 3000 jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte en ce qui concerne euh, euh, euh, le Sénégal. Et le projet de la Grande Muraille Verte, c'est de, Dakar à Djibouti. C'est de Dakar à Djibouti, donc ça traverse toute la bande là, et ça traverse, ça, passe par le Niger. Mais malheureusement, ici au Niger, on est nulle part par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Et même le crédit carbone. Le crédit carbone, maintenant, c'est. On dit c'est ce qui fait le changement climatique c'est l'émission de gaz à effet de serre. L'émission de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut neutraliser ces gaz, n'est-ce pas C'est la séquestration de ces gaz à effet de serre par les arbres plantés. Maintenant, quand on plante des arbres, c'est-à-dire que ça grandit, c'est un projet, tu vas l'enregistrer au niveau des de, Nations Unies, tu l'enregistres, tu mets en œuvre le projet. Maintenant, en fonction des arbres, que, de nombre de, forêts n'est-ce pas, que tu as fait, on te, on te change ça en, argent. Donc, tu vois, ça crée des activités des génératrices de revenus. Mais ça, on ne connaît pas, c'est encore nouveau au Niger. Donc, tout ça là, c'est-à-dire, il faut nous communication autour pour faire montrer, oui, certes, les jeunes peuvent faire du bénévolat, mais ils peuvent aussi gagner dans cette lutte du changement climatique. To madalla masu saurari hada ku aminanmu na fadar yau za mu je mu shakata da wannan faifan kafin mu dawo mu ci gaba da tattaunawar tamu. I wanna to make you mine. I think about you all the time. I need you by my side. Hope you don't mind. Baby, bouge pour moi. Vas-y, danse pour moi. Non, non, ne me laissez pas. Pour t'avoir à mes côtés, je ferai n'importe quoi. Fais ce que ton cœur te dit. N'écoute pas les ennuis. Je te veux à l'infini. Mon cœur est dans tes mains, baby, ne le saignez pas. J'admire ta douce peau de benne, ta forme de guitare, tes yeux de Mona Lisa. Tes fraîches classiques. Comment n'est pas devenu fou de toi? Tu fais partie de ma vie, jamais ça ne changera. Ne sois pas jalouse, je n'aime que toi. Aucune fille de la ville peut se comparer à toi. Non, non, non, non, c'est ma number one à moi. J'aime quand tu me regardes avec tes yeux brillants comme le soleil. J'avoue que tu m'aimes, tu m'as toujours aimé avec au sans de l'oseille. Pardonnez-moi, parlez moi I wanna not you make you mine. I think about you all the time. I need you by my side. hope you don't mind. Madalla bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu mai farin jini wato mu na mu a fada da yau maudu'in namu shine gudunmuwar matasa a cikin yaƙi da sauyin yanayi wato a turanci la porte des jeunes de la lutte contre le changement climatique troisième et dernière partie de notre fada Nous parlons conseil et contribution. dadi je reviens vers toi. Quelle action simple les jeunes peuvent-ils prendre dans leur vie quotidienne pour réduire leur empreinte carbone selon toi Pour réduire Leur empreinte carbone. Bon, dans un premier temps, euh, je peux dire, euh, c'est de multiplier les, sensibilisations euh, à l'endroit de la population, surtout sur ce changement climatique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, si nous, en tant que jeunes, nous pouvons toutefois réfléchir, dire, ah, pour apporter ma part de contribution, je dois vraiment faire, euh, même si c'est pas deux, une seule action, c'est bon. Il ne serait-ce que de planter un seul arbre et faire le suivi pendant euh, deux ou trois ans peut-être, ou au-delà, c'est une bonne chose vraiment. Donc euh, nous en tant qu'association et plusieurs structures aussi qui interviennent dans dans le domaine, Vraiment, euh, on doit multiplier euh, les campagnes de sensibilisation, pas seulement ici, euh, y compris dans les zones reculées. Donc voilà ce que je peux dire. Samira, je te repose la même question. Selon toi, quelle actions simple les jeunes peuvent-ils prendre dans leur vie quotidienne pour réduire leur empreinte carbone Les actions sont multiples et variées. En commençant par nos simples actions quotidiennes. Par exemple, éteindre juste la lumière en sortant, éteindre le ventilo en sortant, ce sont des actions anodines que on trouve que c'est pas important, pourtant ça a un impact énorme. Conseiller notre vieille maman qui utilise par exemple les, foyers avec le bois, qu'aujourd'hui il y a le gaz, même si c'est une fausse solution pour le moment, quand même ça peut réduire cette déforestation. Et il y a des foyers améliorés qui utilisent moins de bois pour avoir le repas que nous voulons. Donc tout ça sont des actions que nous pouvons faire. Et également, comme il l'a dit, c'est-à-dire planter des arbres. Ce n'est pas avec seulement l'avènement du climat, c'est quelque chose qui est culturel chez nous. Donc pourquoi ne pas perpétuer ça, surtout maintenant avec ce que nous vivons Donc revenons à la source et continuons à faire. Parce que je pense que quand on parle de changement climatique, les gens essaient de dissocier ça parce que les gens voient c'est quelque chose de loin qui ne les concerne pas. Mais ça nous concerne tous. Donc, ce qui fait que même ces actions de salubrité, parce que les déchets plastiques également émettent. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est aussi des pollueurs qui émettent. Donc, réduire également notre utilisation des plastiques, surtout les plastiques noirs. Donc, toutes ces petites actions que nous pouvons faire pourront faire la différence éventuellement. On n'a pas besoin d'avoir une grande influence pour changer des politiques. À notre niveau on peut faire la différence na gode samira zan dawo ta bangaren ka tare da wata tambaya da gani ita ce et eh, selon toi comment sensibiliser et mobiliser d'autres jeunes à s'impliquer dans euh, des actions climatiques alors c'est très simple il faut leur montrer que c'est-à-dire la situation là elle est pour tout le monde c'est-à-dire elle est pour tout le monde quand il fait chaud c'est tout le monde qui, qui subit quand il fait froid c'est tout le monde qui subit euh, donc euh, de là, moi je pense que c'est naturel de, de, de, réagir. De réagir. Alors ici, en ce qui nous concerne, quand tu prends euh, conformément à notre réalité, n'est-ce pas, à, ce que nous pouvons faire, et nous avons, certes, nous avons des arbres, mais il faut continuer à planter. Mais maintenant, il y a un phénomène, l'abattage des arbres, ça, il faut le combattre. Ça, il faut le combattre. Mais imagine, quand tu prends 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, quand tu viens à Niamey, il y a, combien de ceintures vertes Il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus. C'est ce qui, constitue de barrières. en fait. C'est loti, c'est vendu, tous ces arbres-là sont abattus. Euh, on les appelle souvent euh, les ceintures vertes les poumons de la ville, en fait. C'est ce qui aide la ville à bien respirer, et à fournir, c'est-à-dire euh, euh, des, des, des, air euh, à respirer à la population je te prends un exemple maintenant quand tu parles, les nouveaux quartiers qui sont en train de naître, tu vois Diaspora, il faut aller voir, je ne pense pas si... Bon, je, ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais pour un quartier pareil, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun arbre. Pourquoi l'État ne va pas imposer, c'est-à-dire à tout celui qui va construire une nouvelle maison, de d'abord planter des arbres Il faut planter des arbres. Sinon, nous allons souffrir, nous allons continuer à souffrir. Notre souffrance, vient de, ça vient de commencer. Regarde avec tous les arbres qu'il y a, mais de la façon dont euh, ce changement climatique est en train de nous fatiguer. Donc du coup, je pense que euh, des précautions doivent être euh, prises, n'est-ce pas, à tous les niveaux, pour amener les gens à prendre conscience que c'est une affaire de tous et que tout le monde doit faire des actions désintéressées, n'est-ce pas, pour apporter euh, sa solution, pour apporter sa contribution à solutionner, n'est-ce pas, ce problème de changement climatique. Et c'est très possible. To madalla kamar mu na fada kafin mu rufe Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette chronique spéciale dédiée à la fête du travail. Une journée qui célèbre l'importance et la contribution des travailleurs à travers le monde. Le Niger, à l'instar euh, des pays du monde entier, a célébré le mercredi 1er mai la journée mondiale du travail. Alors, quelle est l'origine de cette journée Quelle est sa contribution dans la vie des travailleurs Élément de réponse dans cette chronique. Commençons par découvrir la genèse de cette journée mondiale. Eh bien, L'origine de cette fête remonte au 19e siècle, une période marquée par des conditions de travail souvent inhumaine, avec de longues heures de travail pour des salaires dérisoires et peu voire pas de droits pour les travailleurs. Aux États-Unis, cette période a été le théâtre d'une montée du mouvement ouvrier, avec des travailleurs cherchant à s'organiser pour réclamer des conditions de travail plus justes. L'un des moments emblématiques de ce mouvement a été la grève du 1er mai 1886 à Chicago où des milliers de travailleurs ont manifesté pour réduire la journée de travail à 8 heures. Malheureusement, cette manifestation connue sous le nom de l'incident de High Market Square s'est terminée tragiquement par des affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Cet événement a marqué un tournant décisif dans l'histoire du mouvement ouvrier. Le 1er mai est devenu un jour symbolique pour les travailleurs du monde entier, rappelant leur lutte pour de meilleures conditions de travail et leur solidarité en tant que classe ouvrière. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain pour la suite. Excellent week-end à vous. Merci Seno haka ne uwa matasa a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na maɗu a fadar maraicen yau da muka yi magana bisa kan gudunmuwar matasa a cikin yaƙi da sauyin yanayi. A yau don gabatar da wannan shirin na kasance tare da Malam Tare Dauda Zakari ile l'ancien responsable de la communication du ministère de l'environnement a kusa da shi mun samu dadi Jibrilla na Udesh a nan kuma dab da shi muna tare da Malama Samira Musa du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. tare da su mun tattauna ne game da abubuwan da suka shafi sauyin yanayi ni kan kaina a takaice dai abin da na rike shine kamar yadda malama samira ta gayi kowa ya kamata ya kawo gudunmuwar tasa kashe huta dai rage aiki da ice shi ma taimako ne wanda zai kawo mana kariya ga wannan yanayin na harkar sauyin yanayi da muke ciki da muke gani shi ma malam tare da zakari ya kawo nashi gudunmuwa na cewa matasa ya kamata a wayar musu da kai su san da cewa abu ne da ya shafi kowa kenan kowa ya kama jikinsa daga nan za mu ce ce muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu inda za mu dawo muku da wannan jigo amma akan wani fanni a harshen turanci da zubamanci tare da abokin aikin nawa Habibu Garba. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.